auditrices et auditeurs du studio Kalangou, heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes lundi 25 décembre 2023. Merci d'être avec nous où que vous soyez. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne qui nous écoute actuellement via nos radios partenaires et en streaming sur le site web www.studiokalangu.org. À la présentation, je suis Ali Moukela alias Seno accompagné de Samira Rouafi. Bonjour Samira. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci. Super, Sénon, nous. prenons également un moment pour saluer chaleureusement nos collègues qui travaillent en coulisses, toute l'équipe rédactionnelle bien sûr. Aujourd'hui à la technique, c'est Seni Isaka et l'édition est assurée par Aïla Toussoumana. Alors Sénon, quel est le menu du jour Aujourd'hui, le menu est captivant comme les autres jours d'ailleurs. Nous débutons par le flash d'informations présenté par Asumana China une façon de permettre à nos auditeurs de démarrer la journée en étant au courant des événements récents. Ensuite, un cocktail musical mettra en avant la musique nigérienne. Ici, dans le Niger, sur Kalangu, nous consommons nigérien. Tout à fait, c'est non. La scène, la science plutôt du loti avec le desk femme du studio Kalangu suivra, accompagnée euh, d'analyses sportives. Comme l'actualité l'oblige, nous serons en direct d'Agadez pour parler du championnat de la lutte traditionnelle qui se déroule dans la capitale de l'Aïr. Bonjour à tous nos envoyés spéciaux et nos correspondants sur place. Un coucou aux auditeurs de la radio Nomade qui nous diffuse actuellement. Et oui, toujours dans cette émission, nous recevons Omar Samna. Il est le promoteur d'une jeune entreprise de décoration. Avec lui, nous parlerons des nouvelles tendances en la matière. Et nous retournerons, nous retournerons bien évidemment en région cette fois-ci à Zander pour brosser sur la question des droits des enfants nous allons clore cette édition avec les messages de nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement pour une heure d'infos et de divertissement. Sans trop tarder, voici le flash d'informations présenté aujourd'hui par Asumana China. Bonjour China. Bonjour à tous. Euh, la communauté chrétienne du Niger célèbre ce 25 décembre la fête de Noël ou fête de la Nativité, une occasion de retrouvailles, de prières et de partage pour les fidèles. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les fidèles chrétiens ont organisé dans les différentes églises du pays des réveillons, des messes pour implorer Jésus-Christ pour qu'il descende de sa clémence sur le Niger en cette période particulière où le pays vit sous embargo de la CDAO et de l'IOMOA. C'est aussi une occasion pour les fidèles de se souhaiter des vœux les meilleurs. Dans un communiqué rendu public hier, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement décident de suspendre toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la, de la francophonie, OIF. Les autorités nigériennes indiquent que cette décision fait suite à la décision prise le 19 euh, décembre par l'OIF de suspendre le Niger de ses instances. Pour rappel, l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, ancêtre de la francophonie, est née sur le sol nigérien en 1970 sous l'impulsion des pères fondateurs Amani Diori du Niger, le Paul Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a démenti dimanche ce qu'il appelle les allégations mensongères des médias français dont RFI et France 24 relatives à un prétendu accord entre le Niger et la CDAO sur la durée de la transition. Ces médias étrangers ont été suspendus de diffusion au Niger depuis le 3 août 2023 euh, pour leur partialité. C'est pour cela que le CNSP et le gouvernement tiennent à réitérer leur engagement à prendre en compte les propositions du peuple nigérien souverain. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Merci euh, China pour toutes ces informations. Voilà, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui un jeune entrepreneur du nom d'Omar Samna. Euh, c'est le promoteur de l'entreprise Perfect Decoration. Bonjour Omar et merci de nous honorer de ta présence dans cette émission. Merci beaucoup Mia quelles sont les dernières tendances en décoration Eh bien, vous aurez la réponse dans quelques instants. Oui, mais avant, écoutons d'abord la première note sur euh, notre liste de sélection. Il s'agit du titre euh, repris, c'est un titre qui a été repris, c'est le titre Badam Badan de Feu Mi Iros, repris par Aishatu Dankwali, Fenobi, Ali Achibili, Aziz Tony et Dare, C'est parti. matas o monte l'artiste Mihiros Badambadan chanté à la place AB de l'université Abdoumouni Diofo, un titre qui reflète la situation actuelle dans laquelle euh, se trouve notre pays. oui, c'est une façon pour nous de rendre hommage à Mihiros qui a écrit cette chanson il y a une vingtaine d'années, une description de la situation actuelle de l'Afrique. Chapeau aux artistes qui ont repris euh, cette œuvre comme combien engagés pour euh, un lendemain meilleur pour le peuple du Niger. Le les berceaux de l'aube, Afrique se réveille. C'est terres fertile, pleine d'espoir, sa richesse sans pareil. Les étoiles dans le ciel chants son encore. L'Afrique s'élève, lève sa voix si haute. Victime de dirigeants, des dirigeants corrompus avec des contrats au pas. c'était là la première euh, sélection de, euh, musique euh, d'aujourd'hui. C'était le titre Badam Badam, une reprise de la chanson de Miros. Chers auditeurs, tout en espérant que vous avez aimé, Omar Samnaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes un décorateur. Plantez-nous un peu le décor en nous expliquant de quoi il s'agit exactement. Et la décoration, donc, comme vous l'entendez, donc c'est, ça sert vraiment accompagner les événements, donc à les donner et une, lumière. Et qu'est-ce que tu appelles lumière par là Puisque chaque événement, c'est en fonction du thème. Donc, euh, on vient en fonction du thème et décorer l'événement. Et rien qu'en venant à l'événement, sans même connaître le thème, rien qu'en voyant la décoration, donc là, vous allez comprendre de vous-même de quel thème il s'agit. Voilà, <laughs> c'est bien. Alors, comment se porte le monde de la décoration au Niger et le monde de la décoration au Niger, moi je dirais que surtout ces derniers temps, c'est un monde euh, qui va bien, si je peux bien le dire, surtout mhm. avec euh, les événements traditionnels. Mhm. Puisque aujourd'hui, les gens, euh, surtout dans le cadre des mariages, ont tendance à apprécier et à faire un retour sur nos propres réalités, mhm. c'est-à-dire nos cultures. Mhm. Ah, ok, alors euh, comment appréciez-vous euh, la façon dont l'activité est perçue euh, et pratiquée au Niger Et comme je l'avais dit tout à l'heure, je dirais que c'est une très belle chose en fait, et surtout même en ce qui concerne la pratique. Puisque aujourd'hui, et rien qu'à travers la décoration, nous sommes en train de retrouver nos réalités, hmm. nos valeurs un peu perdues, si je peux bien le dire, puisque à un, à un moment donné, on avait tendance à copier beaucoup plus les Occidentaux et autres. Hmm. Et aujourd'hui, vraiment, avec les décorations, surtout les décorations traditionnelles, puisqu'aujourd'hui hmm. puisque aujourd'hui, ce sont les décorations qui sont en train de prendre de l'ampleur ici au Niger. Donc, vraiment, je dirais que c'est une très belle chose. Ok, super. Est-ce qu'on peut dire que euh, euh, c'est ce qui vous a poussé à, vous investir dans ce secteur Oui, en tout cas, c'est vraiment l'une des raisons, puisque la, décoration, j'ai en fait, j'ai beaucoup duré de l'événementiel, donc depuis que j'étais à l'école, mm. j'étais dans le cadre culturel, donc j'avais vraiment l'ambition d'être un peu dans l'événementiel. Et là, dans mes analyses, et surtout, j'avais un talent au niveau de la décoration et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas commencer avec la décoration ah, Super. Comment votre entreprise intègre-t-elle les tendances actuelles En tout cas, je dirais que ça va. Mm-hmm. Mm. Ok. Et alors, euh, qu'est-ce qui fait votre particularité par rapport aux autres Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de la décoration. Et bon, en tout cas, en ce qui concerne la particularité, mm. Bon, je vais juste vous faire un résumé de ce que les clients, en fait, et les autres me racontent, en fait. Ce qu'ils trouvent de particularité dans nos décorations, ils disent que non seulement nous faisons bien la décoration, et après ça, quand un client prend un modèle, on essaie de faire mieux que le modèle. Vous voyez un peu Et on fait tout pour ne pas reproduire les mêmes décorations. Donc, vous voyez, on investit beaucoup dans le cadre de la décoration. Mm. Donc, vraiment, c'est ce qui fait notre particularité. Merci Omar. Euh, nous avons retenu que euh, vraiment votre particularité, c'est surtout surtout la décoration traditionnelle et ce qui a fait euh, qui fait que les gens font les éloges de perfect décoration et aussi le fait que ceci c'est vraiment un amour pour toi avant de le considérer comme un travail c'était mhm. une passion nous allons à présent marquer une petite pause musicale avec le titre Roi d'Ali Atibili maza take sanya kuka ƙarya kike fi sani bane ƙarya lukukuwa ta ɗaukar mami ta shiga rumbu ta ɗauda mandawa ba malami ya buɗe takarda ba zai shiga aljanna ba sanin Allah ba mataka za ba ta aure ce ba ɗakin kishiya take tonawa matagayya ba ta aure ce ba aljihu Take it on now, chele chele chele. goodbye. Eh oui, Roua, mesdames et messieurs, au sens propre du terme, c'est tout simplement l'eau, mais là, l'artiste utilise ce terme dans un autre sens plus figuré, un sens métaphorique pour euh, parler euh, d'un liquide qui contribue au processus de la fécondité, tout en espérant que vous avez kiffé ces titres. Poursuivons nos échanges avec euh, M. Omar Samna, décorateur. Alors, euh, Omar, dites-nous, selon vous, est-ce que le domaine de la décoration est prometteur au Niger Et le domaine de la décoration est prometteur au Niger parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un domaine que je dis bien, je précise bien sur la décoration traditionnelle, mhm. puisque maintenant c'est devenu vraiment comme, euh, et <laughs> comment on appelle ça En tout cas, presque. Euh, c'est la tendance Oui, c'est la tendance en fait. Presque tous les mariés en fait, surtout au lieu de faire le cocktail et tout, donc ils préfèrent faire les décors, l'air Hana. Et moi, je dis, des soirées traditionnelles. Et moi, je crois bien que c'est vraiment une très belle chose déjà, puisque mm. on est en train de revenir à nos réalités. Donc ça promet. Hein. Oui, bon, ça va. Ok, eh, eh, eh, est-ce que ces domaines créent de l'emploi selon vous En tout cas, du moment où il y a déjà une forte demande qui est là, donc euh, hmm. d'office, en fait, ça crée de, l'emploi. Hmm. Donc vraiment, ça crée de l'emploi. Par exemple, vous, vous employez combien de personnes dans votre entreprise Et une dizaine. Une dizaine, de, personnes. et souvent même. C'est déjà bien. Ah oui, ouais, ça va. Hmm. Alors, euh, est-ce qu'il euh, il y a des écoles pour apprendre à devenir décorateur En tout cas, ici au Niger, je ne pense pas je ne sais pas ici au Niger, vraiment. <laughs> Sinon, Omar, quelles sont les inspirations artistiques qui guident le processus créatif vous, concernant, par exemple Bon, moi, je dirais que c'est quelque chose qui vient naturellement. Vraiment, c'est quelque chose. Parce que moi, pour une décoration, il suffit que je vois l'endroit où on me dit le thème. Donc, je commence déjà à imaginer, en fait. Qu'est-ce que qui sera beau et parfait à cet endroit Vraiment. Super. Partagez avec nous un projet de décoration qui vous a particulièrement marqué. Et en tout cas, si tu concernes les projets de décoration, qui, bon, moi je dirais que presque toutes les décorations, en tout cas les grandes décorations, parce que il y a beaucoup de décorations. En fait, à chaque fois qu'on fait une décoration, vraiment ça, ça me donne trop envie, même moi de me marier, quoi. Vous voyez un peu, <laughs> Ah, vous êtes célibataire. <laughs> <laughs> vous voyez un peu. D'accord. Et à chaque fois, en fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hmm. quand on fait une décoration belle et que un client voit ça et qu'il nous demande de lui reproduire la, la même décoration. Mm. Et nous, on fait, on, fait, tout pour faire mieux. Donc, mm. vous voyez un peu. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, vous voyez. Là, je dirais que peut-être la dernière et la l'avant-dernière la, des décorations, en tout cas. Et les décorations qu'on va faire en tout cas, rien que dans cette semaine, mhm. je suis sûr que voilà, elles vont dominer. voilà, donc vous voyez. <laughs> ok, super. Quels sont, euh, Omar, quels sont les, les, principaux défis auxquels euh, vous faites face dans le monde de, de la décoration En tout cas, les défis, ça ne manque pas, vraiment. Hmm. Parce que vous savez, quand on est appelé à travailler euh, avec des humains, voilà, c'est un peu difficile en fait. Tout à fait. Parce que surtout quand on travaille en équipe, il y a au niveau des clients, il y a au niveau des agents, donc vous voyez. Mhm. Et surtout que des fois, on a plusieurs réservations, vous voyez un peu. Hmm. Le même jour euh, Oui, le même jour. tout mhm. cas, On fait jusqu'à 3-4 décorations. Rien que le jeudi prochain, je crois, on fera 5 décorations. En tout cas, pour l'instant, on a 5 réservations. Donc, si je hmm. comprends, par rapport au défi, il faut juste apprendre à travailler sous pression en tout cas, c'est sous pression Parce que dans le domaine de la décoration, en tout cas, l'événementiel, quand vous vous apprenez pas à travailler sous pression, je dirais qu'il y, y, a un problème en fait. Quoi. Vous voyez un peu. <laughs> Imaginez-vous, et vous avez 4, 5 réservations et que chaque client en fait <laughs> vous appelle de, de, gauche droite pour savoir si à oral ça voilà il y a des trucs comme ça mm-hmm. alors que déjà on lui a donné une heure voilà l'heure à laquelle on va être. Mais mm. bon, quand ils sont un peu pressés et tout, vous voyez un peu. Donc vraiment, il faut travailler sous pression. Il faut comprendre les mariés, c'est la pression, <laughs> le fait de vouloir que tout marche bien. Alors Omar, comment la technologie moderne influence-t-elle hum, la conception et la réalisation de vos projets Et avec la technologie nouvelle, moi je dirais que c'est vraiment une très belle chose, ça aide beaucoup. Parce mhm. que Puisque vous voyez, et en tout cas en commençant par les réseaux sociaux, donc, quand on fait les publications et tout, c'est quelque chose qui donne beaucoup bien. Mhm. Et, et nous-mêmes, dans nos décorations, mhm. vous, allez constater qu'à chaque fois, en tout cas très souvent, on, essaie d'amener des choses euh, nouvelles. Mhm. Et surtout, on a une pancarte qui est là. Donc, dès que vous arrivez au, mariage, donc il y a la pancarte qui dit voilà, voilà ce qui se passe. Bienvenue au mariage <laughs> d'Omar et tel. <laughs> voilà. <laughs> en tout cas, c'est un truc comme ça vraiment. Et donc, ça aide beaucoup. Super. Omar, ça serait vraiment super de continuer à parler longtemps, longtemps avec toi sur le monde, euh, ce monde merveilleux de la décoration. Mais nous allons nous dire au revoir. Merci infiniment d'avoir euh, accepté euh, de, de, venir ici et de répondre à cette invitation du studio Kalango. Nous te souhaitons une excellente journée. Merci, Merci beaucoup. <laughs> c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire euh, justice. Oui, le juriste évoque ici la compétence et le fonctionnement de la Cour de justice de la CDAO. Rappelons-le, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée en tant que principal organe judiciaire de la zone. Quelles sont les compétences de cette Cour de justice de la CDAO Abdelrazak Maharazou, juriste, répond à la question au micro de Tarnan Foudé Hamed. Classiquement, la Cour était compétente pour les procédures concernant les États entre eux ou les États avec la Commission, le personnel de la Commission contre la Commission. Ensuite, la Cour avait des compétences consultatives, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres ou tout autre organe pouvait la saisir pour qu'elle émette un avis consultatif sur une procédure ou bien sur l'interprétation d'un texte d'un traité, par exemple. Et en attendant la mise en place du tribunal arbitral, puisque le traité a créé un tribunal arbitral, la Cour a aussi des compétences arbitrales. Mais de façon plus spécifique, il faut dire que la Cour de justice de la CDAO a également des compétences pour ce qui concerne les violations des droits de l'homme. Qui peut saisir la Cour et quelle est la procédure de sa saisine Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour pour faire valoir ses prétentions. La Cour peut être saisie à tout moment, même lorsque le procès est pendant devant d'autres juridictions. Il faut préciser que la requête qui saisit la Cour ne doit pas être anonyme. Il faut que l'identité du requérant soit bien indiquée. Et la saisine de la Cour se fait par voie de requête. Quel est le mode de désignation des juges devant siéger à la Cour de justice de la CDAO La désignation des juges devant siéger à la Cour de justice de la CDAO se fait selon un système de rotation. C'est-à-dire, les 15 pays qui composent la CDAO se voient attribuer les postes du juge après chaque mandat de 4 ans. Les juges doivent être choisis sur une liste de trois candidats proposés par chaque État, après bien sûr une sélection interne. Et les juges sélectionnés à l'interne vont au siège du pays qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État et du gouvernement pourrait être interrogé par les 15 présidents des cours suprêmes de ces différents États. Donc c'est un grand jury qu'on appelle le Conseil judiciaire. C'est comme ça qu'on procède au choix d'un seul parmi les trois candidats. La Cour est composée de cinq juges ayant plus de 20 ans d'expérience et faisant preuve de haute valeur morale. Et les juges sont nommés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour une période de 4 ans non renouvelable. Est-ce que les arrêts de la Cour de justice de la CDAO sont-ils susceptibles de recours Les arrêts de la Cour de justice de la ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions sont naturellement définitives parce que cette Cour n'a pas une juridiction au-dessus d'elle, donc un statut en premier et en dernier ressort. Mais si on découvre un fait nouveau après le prononcé de l'arrêt, il est possible d'envisager la procédure de révision devant cette même Cour. En ce moment, la Cour revient et examine les faits nouveaux. Voilà, c'était là la rubrique hebdomadaire justice. Euh, Samira, nous allons encore une fois de plus consommer de la musique. Euh, le son qui arrive, c'est Wadou, dit chanteur Burema Disco. On écoute. Vagabond. disco euh, c'est le créateur du groupe euh, Super Bancané en 2001, Ibrahim Jibo de son vrai nom. Euh, en fait, il a fait ses premiers pas dans le domaine de la musique avec Eric Pancho. C'était un très bon danseur du disco à l'époque, d'où le nom d'artiste Bourema Disco. Et c'est parti pour une belle et longue carrière pleine de belles chansons, surtout sur le social. Oh, voilà, chers auditeurs, après cette euh, belle sonorité musicale, direction Zander, la capitale du Damagaram, pour parler de droits des enfants de la part, euh, de par les lois plutôt nationales et internationales ratifiées par le Niger, les enfants jouissent eux aussi de droits. On peut citer entre autres les droits relatifs à la vie, à la dignité, à l'éducation, à la santé, etc. Le Niger fait partie des pays africains où les droits des enfants sont respectés selon le chef euh, de division protection de l'enfant de Zander. Plus de détails avec euh, Nahande Oumarou au micro de Zara Boukar. Les droits de l'enfant, c'est le respect des principes fondamentaux afin de préserver la santé physique, morale de l'enfant, aussi garantir leur dignité et promouvoir leur éducation. C'est le respect des droits fondamentaux des enfants pour permettre à l'enfant de s'épanouir et de connaître un bon développement. Quels sont ces droits fondamentaux et Ces droits fondamentaux sont d'abord les droits à la vie et au développement, il y a le droit à l'identité et au nom. Nous avons le droit à la santé, le droit à l'alimentation toujours. Les familles et le gouvernement doivent assurer que les enfants sont bien nourris. Le droit à l'indiscrimination, discrimination, le droit à l'éducation. Chaque enfant a le droit d'aller à l'école, le droit à la liberté d'expression, écouter les enfants, permettre d'exprimer leur opinion, leur point de vue. Le droit au jeu, au loisir, le droit à la protection contre euh, les abus et exploitations dont ils sont victimes, le droit à la participation à toutes les actions les concernant. Les droits fondamentaux que vous venez de citer euh, sont-ils euh, réellement respectés au Niger et à Zandera Oui, je dirais que ces droits sont respectés au Niger car l'État du Niger a mis en place des dispositifs à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau communautaire, au niveau communal, au niveau départemental, permettant la réalisation de ces droits fondamentaux des enfants. Alors, euh, quel est votre rôle en tant que direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant pour euh, préserver ces droits-là Notre rôle, c'est de faire en sorte que la population, la communauté respecte ces droits. Et si ces enfants sont victimes de certaines formes de violence, c'est aussi notre rôle de répondre pour sauver ces enfants, pour prendre en charge ces enfants et leur éviter un éventuel problème qui peut nuire à leur santé, à leur intégrité et aussi à leur bon développement. À Zender, aussi, tous ces dispositifs sont mis en place, surtout avec l'appui de certains partenaires, comme les autres acteurs services étatiques. Vraiment, on est avancé dans la réalisation de ces droits. Comment protéger et garantir ces droits fondamentaux de l'enfant Vraiment, il faut renforcer l'application des textes nationaux et internationaux, appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l'enfant, édifier la population sur l'importance du respect de ces droits-là pour les enfants. C'était Nahande Oumarou au micro de Zara Boukar, notre correspondant depuis Zander. Une pensée particulière à tous nos auditeurs qui nous écoutent de l'autre côté des Zander à travers nos radios partenaires. Merci pour votre fidélité. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute du Niger sur sur la radio Nomada FM à Agadez sur la fréquence 101.9 FM. Nous sommes en direct de l'arène Aboubakar d'Agadez et nous sommes avec notre envoyé spécial Adam Sariou. Il nous rappelle les résultats de la deuxième journée. Oui, à présent, nous allons d'abord permettre à Soumana qui est avec nous dans ce studio. Soumana, bonjour. Oui, bonjour. Euh, comme l'a dit Samira, et puis on est à l'arène euh, Boubacar Jibo d'Agadez. Et notre euh, envoyé spécial, Adam, est en ligne. Bonjour, Adam. Oui, bonjour, Soumana. Ok, quelles sont les nouvelles Alors, nous sommes à l'arène de lutte traditionnelle d'Agadez à Boubacar uh-huh. Pour le code, pour le compte de la deuxième journée, nous avons 23 lutteurs invaincus. Et on va commencer par la région de Silaveri, qui, est, a le plus grand nombre de lutteurs invaincus, 6 au total. Après la région de Silaveri, nous avons la région de Dosso, la région de Niamey et la région de la région de Dosso, qui en a trois, dont le champion a c'est-à-dire Abdoubi, Sak et Kaka, la région de Zender, Niamey et Tawa. La région d'Agadez, la région Haute et Maradi ont deux lutteurs investis chacune. Puis la région de Boussa, qui a un seul lutteur qui est toujours en cours pour le temps national. Eh bien, messieurs Adam, ce matin encore, les combats se poursuivent. Eh bien, oui, ce matin, il y a eu le combat entre la région de Bifa et la région de Maradi qui s'est soldé sur le score de 5 victoires à 3 en faveur de Maradi. Et on le rappelle, la région de Maradi, qui avait deux lutteurs invaincus, a toujours conservé ces deux lutteurs. Et la région de Dipas, qui a un seul lutteur invaincu, est toujours en course pour le titre. Oui, ensuite, le deuxième combat, ou la deuxième rencontre, disons Alors, actuellement, actuellement, il y a la région de Niamey qui est en train de lutter contre la région de Dosso. Et vous le savez, la région de Dosso a un lutteur qui a, qui a combattu avec euh, Abba Ibrahim de Niamey, lui aussi qui est également invaincu et la victoire est partie du côté de Niamey. Donc Niamey a quand même, perdu un de ses lutteurs invaincus ce matin à la personne de Tassou Ibrahim. Donc parmi les trois lutteurs invaincus de Niamey, il y a un qui est tombé et deux qui sont toujours en lice. Et, et, la région de Dosso, pardon, qui a trois lutteurs invaincus, a perdu un ce matin. Donc ça reste, ça reste deux lutteurs invaincus pour la région de Dosso. Eh bien, Monsieur Adam, dans la mi-journée, au total, nous avons combien de lutteurs encore euh, invaincus qui sont en course Alors, le, le, total, hier, nous avons trois tout à l'heure. Hier, nous avons 23 tout à l'heure, je le rappelais. Donc là, on vient de faire le 2 ce matin. Donc, maintenant, ça reste, mathématiquement, ça fait 23 lutteurs invaincus. Alors, quel est le programme de cet après-midi, Adam Alors, euh, cet après-midi, nous aurons la région de Tawa qui sera opposée à la région de Tilaberi. Et en fin de soirée, nous aurons la région de Gender contre la région d'Agadez pour continuer la troisième journée. Voilà, donc nous vous remercions très bien, Adam, et bon séjour à Agadez, capitale de l'Aïr. Merci beaucoup, et on vous passe un coucou là-bas à toute l'équipe du studio Kalangou qui travaille malgré le férié. Donc, euh, vraiment, chapeau à vous. Et eh bien donc euh, ensuite, euh, après les deux jours, notre seconde envoyé spécial Salamat Kadri a rencontré Issoufou Kodo, un spécialiste de la lutte traditionnelle qui fait une analyse technique des lutteurs. Nous écoutons. On est à la deuxième journée. Tout naturellement, parlons-en de cette première journée où la division par deux a été parfaite, donc de 80 lutteurs. On s'est retrouvé en fin de cette journée avec 40 lutteurs. Ça a été, moi j'ai vu, certains lutteurs qui ont vraiment travaillé, qui ont l'endurance, qui ont en tout cas revu leur façon de lutter en essayant d'avoir certains modules supplémentaires. C'est quoi un module supplémentaire Un lutteur, un combattant ne va pas avec une seule technique de base. Il doit en avoir une, deux, trois parce que la lutte maintenant s'apparente à une stratégie. De la façon dont tu vas aborder un adversaire, selon son poids, selon sa taille, selon son expérience, tout ça, ce sont des facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc un lutteur doit savoir automatiquement comment changer d'astuce face à un lutteur qui est beaucoup plus attentif. Donc certains lutteurs, pour me répéter, ont, travaillé, en tout cas l'endurance, ont travaillé la technique. On a vu des cas où les lutteurs en mauvaise posture, ils ont renversé la tendance. La deuxième journée qui a eu confrontation, en tout cas, les combats ont été âpres et de leur ensemble à plus de 90%, les combats ont montré une allure techniquement acceptable. Voilà, donc c'était Issoufou Kodo, spécialiste la lutte traditionnelle au micro de Salamatou Kadri. Nous remercions nos envoyés spéciaux depuis Agadez, Salamatou Kadri et Adam Serio. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous euh, pour ces précieuses infos en sport. Nous passons à présent à notre portrait du jour. Euh, c'est nous euh, qui allons nous découvrir aujourd'hui. Notre étoile d'aujourd'hui s'appelle Binta, et les vendeuses du gravier. Il y a des métiers catégorisés, ce d'hommes dont le ramassage du gravier. Mais pour Binta, creuser, tamiser et vendre du gravier, c'est une activité comme une autre. oui, à 30 ans, épouse et mère, c'est dans ces métiers qu'elle subvient à ses besoins. Mariama Nuhu l'a rencontrée sur un chantier. tono wadda muke mu bukatun mu muna tara su in Allah ka mu sai mu saida kamar su wane ne suke sai wannan duwatsu na da yan shara ta da yan kurkuraye masu gini binta kamar mun ga wannan sana'a maza ne suke yin ta gaki da su diga da su helo kamar ke mace ya ne kike tono wannan duwatsu kawai rami ne zaki in muka tono muna tsine ta kana da yaro he ka rika zubo mushi iya kawowa in ko baka da shi yaron he dai kai ka dauko a kanka ka zo ka ka sauye kuma ka Kishi goma. Dishi da a jikka da hamsin hamsin ne amma yanzu ya koma a jikka jikka har wasu ba ma ishirin suke sayan shi. Kuma kina kishi nawa a wani? Kina da yaran da suke zawa su kama miki wajen wannan aikin? Kishi ɗaya ne da rabi. Ina da yara guda biyu ɗan namiji da ƴar mace. Rada ba a yin lakwal he su zo mu yi tsakuwa. Ita tsakuwa dole ne he mun yi ta. Kamar wane lokaci ne kuka yi samun ciniki? Gaskiya ciniki zawa zawa ne. Wani biyu ka samu da wuri Allah in ya kashi ka yi jikka biyu jikka uku. amma kuma da bai zo ba he yanzu dai wannan ni na tara kurkura uku wani tanan ko ta biye ban da ba na kai sati ma ban sai da ba to kamar eh, binta kina jima kina wannan sana'a ta wannan tono duwatsu ni dai noma na biyar ina yin shi kuma akwai yan uwanki mata da suke ita wannan sana'a ta gina kun kai mace nawa A akwai mata tunda yanzu dai akalla nan mace biyar muke yi. Shekara ta talatin da harme kuma da 'ya'ya da baban babansu iyalanku. To wannan sana'a sai kin yi ta ne kike ci da iyalinki ko ko ne Gaskiya muna yin ta amma ni ba ni ke ci da ba da ya samu ya bani. Radda bai samu ba kenan ni da ina da abin saida in sai saida kenan in saya mu ci mu da su. Bayan abinci da zaki sai da wannan sana'a taki akwai wani abin a zo a gani alal misali wata kadara da kika aji ko ni abu da kika tanada na ita wannan sana'a tsawon shekara biyar kika kina yi? Wallahi ni dai kawai in ba in ci in sha ba in yi tuha in ma yara babu abin da na aishi. tsakani ga Allah ba na kwaimi na ba na aishi kwaimi ko bukatun mu in muka yi muka ci muka sha ne kyauta ni sabga kawai shi Merci Mariam Manouhou pour ce reportage. Chers auditeurs, dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui. Il s'agit euh, du morceau Yerfolani de Sani. Thank you. mesdames et messieurs, c'était là le titre Dier Foulani, chanté par l'artiste Maman Sani, tout en espérant que vous avez aimé. On fait un petit coucou aussi à tous les nomades hein, qui résident sur le sol nigérien. Samira, on passe au loti du jour. Oui, c'est non. Le loti de ce lundi 25 décembre 2023 évoque la protection des enfants contre le froid. oui, en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison, n'est-ce pas, Fanta et Rakia Arimi? <laughs> Eh, Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. Lati. no goga digi sabai ga zurumin dora kwai ne mu kwayi sita musi lalle barira fonda kayan jina hmm ni di matkan hadanan hanga sandin da asiba kwayi da yanno ba yi nora amma to zan ka gaba no kwai beri gwargasin mata no ni te ga san no da ni sibai kan yeno ga fonda te fulan zamai dorai se hey fulan zamai mu gonda no hay kunno borg hey dinnan nan nima hanadin hane mantinin no kaga fa ba keke ga gane ni izo mi na sin da bani goga koto ni dirnyan no a ga koron yadin mono ni nai dabu mata no ayi te dirnya hanadin ga ai mil kan ayi ba ga jan ai izo amma no kan ni na. doro sanni newo loktora manne ni se kan ganda dori lalu kan se igine pneumonia gomi na ga fulan zamai doro ni bai hanadin hane loktora man doro sabilo ce senu a masabilo ki nise wala masiki nise wadin man hima nimin zankainan imigente manne nise dori zaidin kulu ye nino gate da koi sa ne irkoi beri hei adinan ka wasi ai min yumai ga kwayi dan niga ni masi koi jante. Hei, hin suru manti soho gina ni gin yi maino da wai na fatta yajin mono nimi dan iga kwayi kan giwa da yeno kwai nemo wa kan igba an ga nokati hargu kwayi da fula kan gi bongai dabu yadin mono nimdan ike yi gaso set. Bai ne mu kino radigo girbi nimi dabun da borgo. Wane kul ganan no nimi zan kai wada fulan zamai dorai kan yeno ga kate. Kwai ne ni nisi nyumai watu kulu, a himano nimi nyumai sorfollon girbi hinka kulu wadin wasa. Yadin no boro, bor mi hagwai da doro gaba nimi safara. hino ay sifande dore dimma ada nandi yerdande ay koyn mo fondo goygol kisin a ah, to ma hagwai ay kiro zama wallahi dore wo gaino ba kwanda irin hankan ga tika ba Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons la culture linguistique en anglais et en français avec Jackie Dalton, la responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle. Hello, Jackie. Hello, bonjour. How are you? Comment allez-vous? Justement, dans l'émission aujourd'hui, on va parler des salutations en anglais. Comment saluer les gens de façon formelle et informelle et leur demander comment ils vont. Donc, première question, et je crois que vous devriez déjà savoir la réponse. Comment dire bonjour Eh oui, c'est hello. Hello. Hello, c'est un mot qu'on peut utiliser à tout moment, matin, soir, nuit. C'est pas lié à un moment spécifique dans la journée. Donc, simplement hello. Pour dire les choses un peu plus informellement, un peu comme salut, on peut dire Hi. Hi. Très simple. Maintenant, comment allez-vous Une chose peut-être utile à savoir, c'est que en anglais, comme pas mal de langues, il n'y a pas la différence entre vous et tu. On dit you et you, ça peut être formel, ça peut être informel. Ça ne dépend pas de la personne à qui on parle ou le contexte. Donc, comment allez-vous ou comment vas-tu C'est la même chose. How are you? How are you? How are you? Et la réponse Ben, en général, on n'aime pas répondre dans la négative pour dire ça va pas bien du tout, donc que ce soit vrai ou pas, on a tendance à dire je vais bien. Alors, comment dire je vais bien en anglais I'm fine. I'm fine. Comment dire je vais bien, merci I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Alors maintenant, on va reprendre tout ça, voir si vous avez bien retenu. Donc, comment dire bonjour Hello. Comment dire salut Hi. Comment dire bonjour, comment allez-vous Ou bonjour, comment vas-tu Hello, how are you Hello, how are you? Et comment dire je vais bien? I'm fine. I'm fine, thank you. Hello, how are you? I'm fine, thank you. That was today's English phrase. How are you? À la prochaine, euh, Jackie. Merci. À présent, c'est l'heure d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. C'est le président du village artisanal d'Agadez. Mon nom c'est Tanarissa. Studio Kilango fait partie des, programmes qui m'échappent pas. J'essaie de les écouter parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que ça touche le cœur de nos problèmes. Tellement que je vois Studio Colongo s'intéresse au domaine de l'artisanat. J'ai vu beaucoup d'artistes qui ont bénéficié des émissions de studio Colongo et c'est pourquoi je suis ce studio-là. Je le suis, je le suis sur les réseaux sociaux, sincèrement. C'est un programme qui touche nos problèmes c'est un programme qui touche nos problèmes et en même temps un programme qui peut être une solution pour certains de nos problèmes. Il faut que vous continuiez de faire, de persévérer dans dans le même sens. Aussi avoir des antennes dans chaque, euh, dans chaque localité pour que les artistes, les artisans sachent que vous êtes là. Donc euh, maintenant c'est l'occasion de la lutte là que vous êtes là c'est une occasion pour nous de profiter aussi. Mais si déjà euh, le studio est là, donc il y aura beaucoup plus de sensibilisation. C'est Kombagi Je suis la vice-présidente du conseil communal de jeunes d'Agadez. Les débats, vraiment, ce sont des choses qui, quand j'écoute ça, ça a de l'impact dans notre communauté parce que c'est dans ce genre de fadaï qu'on invoque vraiment les différentes problématiques qui sont là en train de déranger notre communauté. Et c'est de là vraiment qu'on trouve des solutions, qu'on donne vraiment des propositions qui vont vraiment alléger ou bien arranger certaines choses. Bon, j'écoute en germain parce que je comprends le germain, j'écoute en français, je comprends le français, donc euh, les restes en haussa aussi. S'il y aura des améliorations, c'est vraiment de refaire aussi pour amener d'autres thèmes, la délinquance juvénile pour la consommation des stupéfiants, ce genre de thèmes vraiment qui dérange la jeunesse d'Agadez, qui, qui, est un frein vraiment pour le développement de la jeunesse d'Agadez, pour les activités aussi génératrices de revenus pour les jeunes femmes tout ça là pour l'entrepreneuriat des jeunes aussi. Moi, c'est Abdelhakim Ousmane. J'ai écouté le programme de Studio Kalangu à travers euh, la radio Sarah FM. Et le programme de la soirée pour euh, l'information, les armes en Hausa, en français. Euh, ici au niveau d'Agadez, nous avons les correspondants du sud Kalangou qui sont là. Vraiment, ils touchent un peu ce qui se passe dans la région d'Agadez. C'est bien. Et tout ce que je pouvais dire, c'est de continuer toujours dans ce sens-là et pour pouvoir euh, amener la voix de jeunes d'Agadez euh, au niveau de Sido Kalangou. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, euh, continuez à nous envoyer vos messages vocaux. Nous sommes à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira et moi-même, Ali Moukela ousseni alias Seno. À la technique, c'était Seni Saka et la grande dame Rahila a été à l'édition. L'émission Le Niger sur Kalangou sera rediffusée à partir de 17h. Et quant à moi, je vous retrouve à 18h pour le journal en français. Bon début de semaine et encore joyeux Noël. Ciao, ciao. Thank you.